le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou, qui réunit des journalistes pour analyser les principaux sujets de l'actualité. Ce qui a retenu notre attention cette semaine, c'est d'abord la situation humanitaire préoccupante dans la région de Tilaberi. En seconde position, nous parlerons de la protection de la ceinture verte de Niamey, très menacée depuis de longues années. L'actualité, c'est aussi l'échec des négociations entre le gouvernement et le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur SNEX, des enseignants en grève des mois. Pour analyser ces faits, nous sommes avec Gary Amadou du quotidien La Nation. Gary Amadou, bonsoir. Oui, bonsoir. Ousseini Sajibo, journaliste freelance. Ousseini Sajibo, bonsoir. Bonsoir et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Bienvenue à tous dans le forum de la presse de ce vendredi que nous ouvrons par la situation humanitaire dans la région de Tilaberi. Le ministre nigérien de l'action humanitaire était dimanche dans le département à Dabala, région de Tilaberi. Objectif rencontrer les déplacés internes et évaluer leurs besoins afin de mettre en route le mécanisme de réponse humanitaire. 69 ménages ont reçu 19 tonnes de riz et divers articles. Ces personnes avaient fui la zone de Chinagoder, attaquée le 9 janvier par des terroristes tuant 89 soldats. Gary Amadou, comment analysez-vous les réponses de l'État s'agissant de la situation humanitaire dans la région de Tilaberi ce sont des réponses, je pense, qui s'imposent au vu de la gravité de la situation. Parce que vraiment, nous avons été peinés d'apprendre que des Nigériens ont quitté leur village suite aux menaces, euh, en tout cas, euh, proférées par les terroristes. Voilà, il y aura une prise en charge des déplacés internes, déjà qui sont à l'interne, mais il faudra aussi penser à ceux qui sont de l'autre côté. voilà, à Drembokan, puisqu'on parle d'un millier de, Nigériens, ou, en tout cas beaucoup de Nigériens qui sont partis avec déjà des réfugiés maliens qui étaient ici, qui sont partis avec eux au niveau d'Adrembokan. Il faudrait que le gouvernement nigérien entre en relation avec les autorités maliennes pour voir les, en tout cas les moyens qui puissent être mis en œuvre pour pouvoir les, les assister. Mais c'est une situation préoccupante. La région de Tilaberi, pratiquement toutes les localités qui sont au niveau de la frontière, n'est-ce pas, sont sous la menace des terroristes. Les terroristes sont en train de menacer les gens. Ils veulent que les gens désertent leur village. Apparemment, je ne sais pas pourquoi. Ils veulent-ils s'installer Veulent-ils créer une sorte de, de, en tout cas, d'entité dans laquelle ils vont pouvoir se mouvoir comme ils veulent Ce qui nous appelle non seulement à multiplier les opérations, en tout cas humanitaires, mais aussi a souhaité euh, un, déploiement encore plus massif des forces de défense et de sécurité afin de, rassurer les populations qui sont vraiment dans des situations assez, assez critiques sur le plan euh, de la sécurité. Gary Amadou, l'État du Niger euh, a-t-il aujourd'hui les moyens pour faire face à, tous ces défis humanitaires oui, mais vous savez, les défis humanitaires, heureusement que la solidarité internationale fonctionne toujours dans ce domaine-là. Vous savez, les pays qui n'ont pas assez de moyens même les pays qui ont les moyens, en réalité, quand il y a des catastrophes comme ça, bien, ils reçoivent un peu l'appui de la communauté internationale. Vous voyez ce qui s'est passé quand il y a eu, euh, en tout cas, le tremblement de terre à Fukushima. Le Japon, qui est un pays riche, a reçu l'appui, bien sûr, des pays, des autres pays. C'est les États-Unis, même quand il y a des catastrophes, n'est-ce pas, euh, euh, humanitaires, les États-Unis reçoivent l'appui de, certains pays. On personne n'est à, à l'abri de ce genre de catastrophe et la solidarité internationale fonctionne dans ce monde. Je crois que le pays le Niger a mis en place une sorte de mécanisme. C'est pourquoi on a mis déjà, euh, on a créé ce ministère de l'action humanitaire. Ce ministère de l'action humanitaire, quand il y a des situations comme ça, utilise non seulement les moyens internes, mais aussi l'appui de, la coopération internationale pour pouvoir euh, subvenir aux besoins des plus nécessiteux. Ça veut dire que sur le terrain, euh, les déplacés sont soulagés en tout cas, les, premières actions qui, ont été annoncées au niveau de, après l'avis du ministre au niveau d'Abala, euh, peuvent rassurer la population, mais il faudra que, quand même qu'elles soient étendues, parce que je vous assure que les déplacés, ce n'est pas seulement au niveau d'Abala. Il n'y a, pas longtemps de cela, moi, j'étais avec des journalistes néerlandais. On était au niveau de Tilaberi où il y avait déjà des déplacés. J'ai parlé des villages de, les, villages de Tingara 1, Tingara 2 au niveau de Walam. Ce sont des villages. même vers Inates. Voilà, ce sont des villages, ce sont des villageois qui ont été menacés par les terroristes et qui ont fait des dizaines et des dizaines de kilomètres pour venir à côté de Tilaberi où ils ont établi des camps. Donc, ces gens-là aussi bénéficient de l'appui de certaines ONG mais aussi effectivement de l'État. Donc, je pense que c'est toute la région de Télabéry qui est aujourd'hui une région quasi, en tout cas les, les, zones qui sont frontalières sont quasi sinistrées du cause des menaces des djihadistes. Nissa Sajibou, cela fait trois semaines que euh, ces déplacés internes ont abandonné leur domicile. Peut-on dire aujourd'hui qu'ils sont protégés et entretenus oh, mais Je ne sais pas ce que tu appelles par protégés et entretenus. Personne ne veut quitter chez lui. Ils ont dû quitter leur lieu d'habitation comme avait dit. Suite à la menace Mais bien évidemment, bien évidemment, parce que les remparts euh, qui sont là pour pouvoir les protéger, ces remparts ont été fragilisés. Bien évidemment, ils n'ont pas le choix que de se déplacer pour aller trouver des endroits plus sécurs. C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, parler de est-ce qu'ils ont bien, ils sont bien protégés, ça, c'est une autre perte de manche. Parce que même sur le plan des interventions humanitaires, c'est qu'il faut relativiser. Les gens, ils s'installent là. Dans un premier temps, il y a un mouvement d'ensemble qui s'est fait, où les humanitaires viennent avec des appuis ponctuels, en bien alimentaire et non alimentaire, pour les soutenir. Mais avec le temps, je parle sous le contrôle de Issa Madougou, on était dans un camp, comment veut dire, on a vu les conditions dans lesquelles ils sont en train de vivre et, comme avait dit, les, les, les déplacés internes, parce que c'est à Paktouk de Niamey suite aux inondations, pas tellement loin de Niamey. C'est pour dire que le plus important, moi, à mon sens, parce que le déplacement du ministre, il allait dire, bon, voilà la situation en main et tout et tout. Moi, je dis le plus important, c'est de créer les mécanismes, les conditions de pouvoir protéger les populations dans leur lieu d'habitation on ne peut pas faire déplacer quelqu'un et penser que parce que quelqu'un lui a amené un sac de riz, un, quelques euh, bols de, je sais pas moi, de sel, et euh, un peu de condiments, pour dire que personne ne veut quitter chez lui, parce que chez lui, c'est encore mieux que d'aller vivre au crochet de quelqu'un d'autre. Malheureusement, on se complaît dans cette situation et c'est pour ça que j'ai dit non, il faut revoir un peu la stratégie, Gary vient de le dire, la stratégie de défense nationale. Parce que quelque part, quand des gens peuvent venir menacer, prendre des impôts, c'est toute la bande nord qui la aujourd'hui. Il y a combien d'enfants qui ne vont pas à l'école dans cette zone-là ils sont nombreux les enfants qui ne vont plus à l'école. Quel est leur sort Des centaines d'écoles ont été fermés. fermées. alors, alors, ça, c'est vraiment un cas marginal, le fait que les gens de synagogue euh, d'Inate se déplacent vers Wallam. C'est pour préserver leur vie, en tout cas pour sauvegarder leur vie. C'est pour ça qu'ils se sont déplacés. Mais moi, je me dis à partir de tout ça, là, le tout n'est pas d'aller. Mais le tout, c'est de créer les conditions pour que ça ne se répète plus dans une autre localité. Parce que dans n'importe quelle localité où ces gens viennent frapper, en s'en prenant directement à des installations militaires, dites-vous bien que le civil qui n'est pas armé, pour une question de simple survie. C'est quoi euh, son instinct C'est de pouvoir aller, en tout cas, trouver refuge là où. Parce que lui, il n'a pas d'armes. Alors que celui qui a des armes, on, a pu atteindre, on, pu l'atteindre, mais le civil qui n'a pas d'armes, il fait quoi Il va aller où Au moins, il se dit, même en courant à pied, il, peut échapper. S'il reste sur place, c'est ça que j'ai dit, il faut qu'on arrête la comédie et prendre les choses à bras le corps. Ce qu'on voit, c'est passer. Prendre les choses à bras le corps, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Essayer de voir la stratégie de défense. Parce que, moi, je dis, moi, ces djihadistes, je dis, c'est des, des brigands, à la limite. On dit qu'ils viennent par centaines à moto. Ils s'en prennent. Ils font des combats pendant des heures contre des positions militaires et qu'ils parviennent à s'enfuir. Et qu'on dise, bon, disparaître de la ah, nature. Dans, la nature. Mais ils sont passés où Et on dit, le plus souvent, ils viennent du nord septentrion malin. Regardez ce qui s'est passé avant-hier seulement au Burkina Faso. Un marché, 39 morts. Où les gens sont venus dans le marché, ils ont tué les hommes, ils ont mis les femmes de côté, ils ont assassiné les hommes. Et ils ont mis des mines. Mais alors, est-ce que nous, ça veut dire qu'ils sont plus stratèges que nos armées c'est la question qu'il faut se poser. Parce que moi, je dis, on a des armées régulières. Vraiment, créons les conditions pour que des choses comme ça ne se passent plus. Jusqu'à implanter, euh, poser des mines, des, pièges, des mines. Mais ah, attendez, mais on est dans quel machin On est tout le temps en train de vouloir dire aux Occidentaux, venez en appui. Non, mettons nos moyens et consacrons nos moyens pour renforcer les capacités de défense de nos forces et moi, je suis convaincu que ces petits voyous-là ne peuvent pas venir faire autant de mal comme ils sont en train de le faire aujourd'hui. Et après, on vient, on met, on, décrète deux, deux, trois, quatre jours. Mais ça, ça, à la limite, c'est c'est juste du folklore. Issa les réponses humanitaires seraient par moments lentes, alors euh, se déplacer manque de tout. Euh, comment analysez-vous ces missions de l'État et de ses partenaires humanitaires qui réfléchissent sur euh, des stratégies d'assistance ben, écoutez, bon, on va essayer de prendre un peu la situation comme ça se présente, parce que vous savez, la région de Telabéry eh, a deux types de de situation d'urgence humanitaire. Il y a les déplacés qui internes, parce que moi c'est le mot déplacé interne même qui me gêne parce que je ne peux pas comprendre qu'on ne puisse pas créer des conditions à ce que ces gens aient le minimum de dignité parce que c'est pas du tout concevable. Mon esprit n'arrive pas à digérer cela dans ton propre pays, tu sois déplacé. On ne peut pas continuer à dire c'est par la force des choses, non. Au-delà de ça, de se déplacer, nous avons les réfugiés maliens. Vous savez, aujourd'hui, la situation est tellement critique que même ces camps de réfugiés. Vous faites euh, allusion à ceux du, camp du Mangaisé du Tabarbaré. Voilà, effectivement. Vous savez, ceux de Mangaisé, une bonne partie a été relocalisée actuellement à Walam. Parce que la situation est critique. Les humanitaires ne peuvent pas aller dans ces zones parce que eux-mêmes, ils savent que les conditions sont très difficiles. Vous savez, à chaque instant, vers la fin de le dernier trimestre de 2019, on a assisté à des cas de vol de véhicules d'ONG d'une façon permanente dans cette zone. Donc, ils sont aussi vraiment dans cette insécurité et ils vivent cette insécurité. Donc, ils ont essayé de prendre des mesures. Les déplacés qui ont fui l'insécurité après avoir été menacés par des groupes étatiques non armés, parce que il faut aussi, nous essayons de faire un peu <clears throat> la part des choses pour ne pas essayer de faire leur publicité. Utilisons le lexique qui a été adopté par le G5 Sahel. Terroristes ont fait de la publicité. C'est des groupes non nommés étatiques que nos armées vont combattre très bientôt avec les moyens nécessaires parce qu'il il est vital pour nous aujourd'hui d'assurer notre propre sécurité. Alors, la situation, elle est complexe parce que nous savons que nos capacités du point de vue étatique sont limitées. Le Niger, c'est pas un pays pauvre. C'est un pays en voie de développement aujourd'hui qui a où tout est défi pour le Niger. Donc le Niger à lui seul ne peut pas prendre en charge tous ces défis humanitaires. C'est pour cela il y a aux côtés du Niger des organisations de développement. Vous vous rappelez la visite euh, du haut commissaire des Nations Unies euh, pour, les réfugiés. Philippe Filippo Grandi. Moi, j'ai salué lors de son point de presse ce propos qu'il a tenu. Parce que il a interpellé la communauté internationale. Il a dit le Niger est un partenaire exceptionnel qui a respecté et qui continue d'honorer ses engagements internationaux. Maintenant, connaissant les capacités limitées et les réalités nigériennes, la communauté internationale a ce devoir aujourd'hui d'appuyer le Niger dans cette dynamique, dans la prise en charge de ce choc. Créer les conditions de résilience des communautés également qui accueillent ces nouveaux arrivants pour qu'il n'y ait pas de conflit, qu'ils soient encore plus résilients face à ce choc-là. Donc, c'est un appel qu'il a lancé. Tout le monde sait que le Niger, à lui seul, le Niger ne peut pas. Mais le problème se pose où Parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'injecte pas de l'argent. C'est parce qu'il y a un laisser-aller dans la gestion de l'humanitaire au Niger. Tout le monde le sait. À dix fois, combien de fois des communautés même se sont révoltées contre les humanitaires parce que c'est à ce niveau que l'État aussi doit mettre les moyens, un peu de sérieux pour contrôler ce qui se passe réellement sur le vous, terrain. Vous faites allusion à la gestion propre. Euh, euh, effectivement, quand il y, a des, il y a un camp à gérer, où on promet à, telle communauté que vous vous accueillez euh, des nouveaux arrivants, on sait que ça va bouleverser votre quotidien. Voilà des, des programmes qu'on vous propose. Mais il ne faut pas que ce soit des annonces. Combien de fois, des fois, ça a été des annonces Il fallait que les gens se révoltent. Alors, moi, je pense que dans tout ça, c'est qu'il y a un aspect qu'on est en train de perdre de vie dans cette crise humanitaire, qui n'est pas seulement humanitaire, mais quand même, il y a une tragédie. C'est la fermeture des écoles. Nous savons tous que nous sommes dans un contexte de radicalisation et d'extrémisme violent. Sans éducation, les jeunes vont aller vers l'extrémisme violent. Parce que le courroie facile pour être radicalisé, c'est quand il n'y a pas d'éducation. On a 137 écoles aujourd'hui, selon les statistiques fournies par, le, par l'ACR et autres organisations. Aujourd'hui, cette situation doit interpeller. Il faut créer les conditions. Il ne suffit pas de faire des écoles passerelles. Non, non, non, non, non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce système. Ce système, on l'a expérimenté, ça n'a pas marché. Créons les conditions à ce que ces gens qui se déplacent puissent être intégrés facilement dans les communautés. Alors, il faut aussi que ce nouveau programme qui s'appelle Nexus, qui lie l'humanitaire au développement puisse vraiment répondre aux réalités. Parce qu'il ne suffit pas aujourd'hui d'adopter une nouvelle stratégie conseil qui allie humanitaire et développement alors qu'il ne prend pas en compte certaines réalités eh, du terroir. Parce que c'est ça. Tout dépend aujourd'hui de la capacité de ces communautés. Parce que c'est ça. On a toujours fait en sorte de faire des camps sans pour autant prendre en, compte la vie des populations autochtones. Parce que ces populations n'ont pas été préparées à vivre vraiment avec ces chocs-là, avec des nouveaux arrivants qui n'ont pas les mêmes comportements. Et tout à l'heure, Garé et Hussein ont dit quelque chose. Oh, Il faut la dignité. Il faut restaurer la dignité de les gens. Les gens ne peuvent pas continuer à vivre comme ça ce qui revient à nos États aujourd'hui, d'assurer la sécurité aux populations. On n'a pas besoin aujourd'hui à ce que dans ton propre pays, qu'on te traite comme un malpropre, que, que tu puisses tendre ta main. Tu abandonnes tout. Il y a cette fracture sociale qui est créée. Il faut que l'État crée les conditions pour assurer le minimum de sécurité euh, villages euh, de sécurité pour ces villages afin que ces villages ne puissent pas disparaître. une minute. Une minute. En fait, ce que je veux dire, c'est ce que Ousseini et, et, ont dit. C'est-à-dire qu'il y a quand même un, truc assez dérangeant. Euh, c'est le fait que on, on, considère ça comme un fait accompli, le fait que les gens sont déplacés, même si c'est à l'interne. Ah non, l'État doit mettre les moyens pour les ramener chez eux et les sécuriser. C'est ça en fait. Parce que c'est extrêmement dangereux, cette manie qu'on a à vouloir euh, Considère ça comme si c'est accompli, comme si c'est normal que les gens quittent leur village et qu'ils viennent quelque part et qu'ils viennent s'installer. Ah non Ah non, il est du devoir de l'État de ramener ces gens-là à la maison et de les sécuriser. C'est ça le truc. C'est pas qu'on va faire en sorte qu'on va perdurer une situation d'humanitaire. Non, non, non. Il faut les ramener chez eux et, sécuriser, les sécuriser. C'est ça en fait l'essentiel. Nissa. Ce que je veux dire en un seul ou deux mots, l'humanitaire n'a jamais développé nulle part ailleurs. Nulle part. Ça te détient, ça te maintient dans la dépendance permanente. Alors il faut quitter cette voie-là, il faut créer les conditions pour que quand des gens bougent, au bout d'un certain temps, on les ramène chez eux, parce que c'est là se trouvent les moyens de production dont ils disposent, qui peuvent les permettre d'être autonomes, d'avoir leur dignité. Parlons à présent de la ceinture verte de Niamey. C'est désormais officiel. La ceinture verte de Niamey sera désormais protégée. Mardi, le gouvernement a adopté un projet de, décret portant un plan d'action pour la gestion de cette ceinture verte. Pour le président du parti des Verts RSV et Nima, il n'y a rien de nouveau. Il faut plus d'actes concrets venant du gouvernement pour assurer un meilleur avenir à la ceinture verte dira Adamou Garba, interrogé par Nafisa Adamou. Ce n'est pas la première fois que des décisions importantes sont prises, mais à chaque fois, ces décrets ne sont pas suivis d'actes. Ça fait des années et des années qu'on interpelle le gouvernement, mais sur le terrain, il n'y a absolument aucun début de solution ou bien de mise en pratique des décisions prises. La dernière fois, le chef de l'État à New York avait demandé aux Nations Unies de déclarer l'urgence climatique dans le monde entier. Moi, je pense que chaque pays doit déclarer l'urgence climatique en ce qui le concerne. Donc un pays comme le Niger ne doit pas attendre que quelqu'un lui dise voilà ce que tu dois faire en matière d'environnement. Nous avons dépassé le cadre de la réflexion, le cadre des décrets. Donc c'est des engagements politiques clairs qui doivent être pris et une application. Aujourd'hui, il y a à peine 30% donc de la ceinture verte qui n'a pas été saccagée. On voudrait déjà qu'on nous pose des garde-fous pour que ceci ne continue pas. Ousenissa Gibon votre commentaire après avoir écouté euh, le président du RSV Nima, Adamou Garba. je n'ai pas qu'à écouter les propos. J'ai traité, parce que quand j'ai eu vent de, euh, comment dire, de ce qui a été décidé, et à travers un peu le point de presse qui a été animé par, je crois, deux ministres, mhm. le ministre de l'Environnement. président de la délégation spéciale de la ville de J'ai cru comprendre qu'il y a une situation d'abandon d'une bonne partie parce qu'ils ont dit que il y a des zones où on n'a pas beaucoup touché. Ces zones-là, on va tout faire pour les préserver. 30% de la santé voilà, verte. Voilà. Mais malheureusement, c'est un faux. Non, ça n'a pas de sens. Non, moi j'ai dit ça n'a pas de sens. Les gens qui sont venus s'implanter là-bas, qui ont acheté, je me rappelle, sous la 5e République, déjà, il y a eu euh, euh, euh, un mouvement de déguerpissement des populations où on leur a donné des maisons vers Haromanda, des parcelles, pour les Comment on peut accepter que des gens reviennent après avoir pris une telle mesure <coughs> Moi, je dis quelque part, je dis quelque part parce que ceux qui achètent, ceux qui font ces grandes villas-là, ces, ces, ces, grands buildings-là, dans la ceinture verte, c'est des gens qui sont de connivence. On sait qui a vendu l'espace. Non, le tout n'est pas de dire, bon, le fait de, devant le fait accompli, on va laisser tomber toutes ces bandes-là qui ont été, euh, comment vous dire, parce que ça n'appartient pas, y compris aux maires qui ont vendu. Ils doivent rendre gorge. Mais on ne fait pas ça. Ça veut dire que demain, demain, ça dit les zones classées là, les zones classées là aussi vont être vendues avec le temps. Non, il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne faut pas venir simplement à travers les textes là. Ce pas les textes qui sont mauvais. C'est le problème d'application qui se pose dans ce pays-là. Et c'est le problème de sanctions qui manque. Parce qu'on peut retracer qui a vendu cette portion-là. On le tape fort. Et il rembourse. Et le monsieur qui est là-bas, on le déguerpit. Ce, qui, ce, qui, a été fait au niveau du site d'Asekena. Euh, mais, mais non, mais alors, un bois que les gens ont trouvé, moi j'ai connu ce bois-là, c'était Vegdoyen à l'époque. C'était Vegdoyen. Tu pouvais même pas, à certains moments, tu pouvais même pas oser. Il y avait juste des pistes pour pouvoir traverser, aller à Talladj et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu karma des espaces où tu vas trouver des airs clairsemées où il n'y a rien. C'est un désert à la limite. on a laissé faire. Et on sait qui les a fait. Les gens qui ont posé les actes. Mais on peut les sanctionner. Mais tant qu'il n'y a pas de sanctions, ça va continuer. Il faut arrêter la, diversion, là, la distraction des Nigériens. Là. Les gens sont fatigués avec. C'est quoi C'est quoi les mesures La dernière fois, on a même commencé à poser pour la, euh, euh, clôture de la ceinture je crois, sous la 5 République en 2006 précisément. Mais le fond, là, dès que les gens ont fini de manger, le travail est fini. Même les fils de fer, qui ont été, euh, comme avait dit, des gens sont venus prendre ça pour aller vendre à Katako un peu partout. Mais ça sert à quoi Ça sert à quoi Est-ce qu'il faut être dans, un, dans une dynamique d'éternel recommencement On ne développe pas. Il y a plein de pays où le bois, là, le bois dans une localité, dans une capitale, personne n'ose toucher. Parce que si tu touches à ça, parce que tu es maire, tu vas aller en prison. Mais ici, on ferme les yeux parce que c'est les mêmes têtes, c'est les mêmes gens. Euh, euh, on laisse faire. Mais ah, ça sert à quoi ça Madougou, selon les autorités, il s'agit de faire bloquer l'avancement des chantiers, délimiter et matérialiser les parties de la ceinture verte à conserver, prendre des actes administratifs relatifs au statut foncier des blocs retenus de la ceinture verte, disposer d'une euh, situation exhaustive sur les lotissements. Comment voyez-vous tous ces défis alors, c'est bien ce beau discours-là. C'est bien parce qu'on aimerait vraiment que ça soit matérialisé dans le concret. Mais aujourd'hui, le problème de la santé verte, est-ce que on va continuer chaque jour à dire non, le gouvernement va prendre. Vous vous rappelez, il y a, c'était en 2016, euh, je crois en 2016, une visite euh, avec plusieurs membres du gouvernement au niveau de la santé verte ministre de l'urbanisation. C'est un Kassoum, je me rappelle. Kassoum, Kassoum. Oui, Kassoum était au domaine. Il y a le ministre de l'Intérieur, ministre de l'Environnement. Il y a à peu près plus de cinq ministres, voire six ministres, qui étaient dans cette délégation. Ils sont partis, ils ont fait le tour de la ceinture verte. Ils ont un peu fait le point, constaté de visu réellement ce qui s'est passé. Des, des, décisions, le comité interministériel a proposé des décisions, à les décisions ont été prises. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé Rien. Hussein avait raison. Aujourd'hui, est-ce que c'est l'éternel recommencement encore Tous les gens qui sont à la base de ce problème, ils sont là, ils sont tapés dans les partis politiques. Parce que le politique s'est immixé aujourd'hui, même dans cette dynamique que l'État veut bien faire quelque chose. L'État veut bien faire quelque chose. Mais les politiciens ont travesti aujourd'hui même cet idéal de développement. Ça n'existe pas au Niger. C'est ça la sanction. Il faut qu'on commence à prendre des sanctions. Aujourd'hui, c'est malheureux de voir une capitale qui est en train de trans se transformer de cette manière où il n'y a pas de bois. Moi, c'est ça. Aujourd'hui, c'est que le visage de Niamey change. Mais ça change, on n'a pas de bois. On n'est pas aujourd'hui capable de dire ça sur notre poumon écologique. Regardez tout près ici de, de la, du siège de la fondation Kalangu. Vous avez un bois ici à Kouarkano qui, devrait être protégé. Dans quel état se trouve ce bois Prenez le bosquet des Nations Unies à côté de Mary C'est extraordinaire ce qu'il y a comme richesse là-bas. Il y a des arbres que c'est dans les contes seulement que tu, on entend, ces genre d'arbres. Mais ça existe là-bas. Ça peut servir même de carte d'étude. Aujourd'hui, quel a eh, été. là-bas, les gens ont failli morceler. Ils ont hein. failli morceler, mais qu'est-ce qui a été fait La ceinture verte, les gens sont en train de grignoter. Il y a dans les mesures prise. Il y a quelque chose que moi je ne suis pas d'accord. C'est comme si on a cautionné pour certains, on a dit à d'autres qu'ils ne peuvent pas. Le fait de dire, OK, il y a des terrains qui seront déclassés, il y a d'autres qu'il faut payer. Mais il y a des gens aujourd'hui, vous savez comment, comment ils ont pu acquérir ces terrains Ceux qui ont construit, par exemple, quand vous prenez du côté de Sonissi, ici à Sonissi, dans ce, il y a une partie de la ceinture verte. Tous les, les gens qui ont construit là-bas, ce ne sont pas des petits pauvres Nigériens ou bien des gens à faible revenu ou bien revenus moyen C'est des gens, si vous avez voir les bâtisses là-bas, donc eux, ils peuvent payer et les autres ne peuvent pas payer. Et là, on crée une injustice. Donc, il faut qu'aujourd'hui, quand on décide de sanctionner, on n'a pas. Il faut faire partir tout le dans monde, selon Il faut fermer les yeux. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de faire des concessions dans cette affaire. Il faut sanctionner tout le monde. Celui qui est à la base du lotissement, et c'est lui qui sait, parce qu'en achetant, vous savez pertinemment ce que vous êtes en train d'acheter. Oui. Mais pourquoi, si on vend un carrefour ici dans la ville de Niamey, les gens ne vont pas les payer non, il faut que les gens aussi soient. Il faut qu'on active, ou réactive cela en Nigerien, des citoyens modèles. Il faut que cette culture aujourd'hui de ne pas contribuer à, la dilapidation des biens publics. Il faut que le Niger ait cette culture dans son comportement. Il ne faut pas donner, laisser faire. Même si on veut, tout le monde aujourd'hui aspire à avoir un toit. Mais il ne faut pas aussi aspirer à avoir un toit n'importe comment. Gary Amadou, euh, d'après ces mêmes autorités, il est prévu à travers ces mesures d'indemniser certaines personnes, comme l'a dit Issa, parmi lesquels les propriétaires coutumiers qui seront dédommagés à hauteur de 20 millions d'hectares. Euh, Il sera également question de faire payer les taxes d'abattage des arbres à raison de 20 000 francs CFA euh, par arbre comme le prévoient les textes. Comment est-il possible moi déjà, euh, déjà je considère qu'on devait interdire déjà l'abattage. Parce que le concept de taxe, c'est comme si on autorisait à un certain moment l'abattage. On ne devait même pas permettre à ce qu'on coupe un arbre au sein de la ceinture verte. Sauf si... bien sûr, bien sûr. Déjà, déjà ça, ça m'a complètement troublé. Le concept de taxe pour, abattre. Non, non, non, on ne doit plus abattre. La ceinture verte est tellement dans un état euh, euh, déplorable qu'il ne faudrait même pas autoriser la coupure de. Deuxième chose, vous savez, on a un problème de prise, de, en tout cas de prise de conscience environnementale. Et on n'a malheureusement pas des gens qui sont en train de, en tout cas, de faire, de faire la promotion de la promotion, la, protection de la censure verte ou des espaces verts dans tout le pays. Mais rien que le parti RSV Nima, vous avez un parti qui n'existe qu'à une décision qui est prise. Bon, en tout cas, est-ce que ça c'est du sérieux ça Est-ce que ça c'est sérieux le parti RSV Nima existe, c'est le seul parti vert au, Niger, mais il n'existe que. Vous l'entendez que quand il y, a, un événement ponctuel. Non, c'est eux qui devaient être. Ils doivent être sur le terrain selon, vous. Mais, pourquoi on fait un parti politique Si c'est juste pour juste rester dans le bureau, dès qu'on entend que le prince Mandar arrive, on sort une déclaration, et puis hop, et puis c'est terminé. Depuis quand vous n'avez pas entendu parler de ça Deuxième chose, c'est-à-dire que c'est cette situation justement de fait accompli, même pour le cas de l'humanitaire qui se repère. C'est-à-dire que les gens ont occupé de façon anarchique un espace vert, ils ont construit des choses. Tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire L'État rentre dans ses droits et on, on, voit, on, voit, on doit reverdir la ceinture verte. C'est-à-dire replanter euh, euh, L'État rentre dans ses droits, c'est-à-dire... C'est très simple. C'est très simple. Ceux qui ont pris, ceux qui ont occupé des espaces verts, ils ont coupé des arbres pour construire des choses, tout simplement on les déguerpit, on détruit, on, on, on, on réimplante des arbres. C'est ça qu'il faut faire. Tout simplement, il ne faut pas qu'on fasse comme si non, non, ça c'est bon, oui, c'est déjà fini, c'est fait. Maintenant. Et, ceux qui ont vendu, euh, qui ont morcelé et vendu euh, cet espace. Mais c'est ça que tout ce que Issa et Hussein ont dit. a dit il faut, il faut d'abord mener des investigations, n'est-ce pas Ceux qui ont vendu des espaces, parce que l'espace de la Sainte-Liberté, est protégé. Moi, j'en sais quelque chose. Parce que moi, j'habite le, quartier, j'habite le quartier là mon enfance, toute mon enfance, je l'ai pratiquement. On a traversé la ceinture verte. C'est là-bas qu'on partait s'amuser. C'est là-bas qu'on faisait des pique-niques. C'était un espace tellement touffu. Il y avait de l'ombre partout. Maintenant, ça fait pitié. Tous ceux qui ont connu cette, ceinture verte-là. Donc, ceux qui ont morcelé, ceux qui ont vendu, les sanctions doivent tomber. Et ceux qui occupent, maintenant qu'ils ont, ils savent très bien, c'est ce qu'ils ont dit tous. Les gens savent très bien que c'est un espace protégés. Mais ils sont partis avec la complicité certainement de certains maires. On leur a vendu des espaces, ils ont, ils ont coupé des arbres, ils ont construit des maisons. Eh bien, c'est à leur risque et péril. J'ai dit, l'État rentre dans ses droits. On doit plutôt aller vers, la, vers le en tout cas, euh, euh, le reverdissement, ou je sais pas comment on, peut mhm, en place, mhm, mhm. de la ceinture verte. C'est-à-dire que tous ceux qui ont occupé ces espaces-là et qui ont construit, tant que ce n'est pas des établissements publics que l'État a autorisé, si c'est les habitations juste, eh bien, on doit les déguerpir, on doit détruire et on doit replanter les arbres. Et si ce sont les mêmes politiciens qui, qui, mais ont occupé. mais c'est ça le problème, en fait. Il faut, il faut que la sanction tombe. Parce qu'effectivement, tous ceux qui ont construit, tous ceux qui ont acheté les terrains, la plupart du temps, ce sont des gens qui sont extrêmement riches, et c'est souvent des gens, c'est des barons, il faut le dire. Donc, il faut qu'il faut, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire, comme l'a dit Hussein, on ne peut pas faire semblant. Est-ce que vous comprenez Ne faisons pas semblant. Allons-y droit au but. Ces gens-là qui ont occupé des espaces verts, il faut les faire déguerpir, il faut détruire, il faut avoir un plan pour revenir la ceinture verte. C'est la seule solution. Samadougou, rapidement. J'étais aujourd'hui, au lieu d'attaquer ça aussi, c'est vrai, c'est une nécessité et c'est une c'est une obligation pour les autorités. Mais quand même, moi, je, lance un appel aux autorités, vraiment d'essayer de voir la situation des deux bois qu'on a à Niamey, le bois de Kwarkano et le bosquet des Nations Unies. Nous avons une richesse que nous pouvons pérenniser il faut investir. Ce n'est pas, moi je suis contre ce que cette euh, façon dont la ville de Niamey voulait faire avec le bois, mettre des pavés. Non, non, non, ce n'est pas des pavés. Continuons à planter, que ce soit réellement un poumon écologique. Parce que le rôle que doit jouer le poumon écologique, tout le monde le sait. C'est une zone de grande habitation, que ce soit à Carcano, que ce soit de l'autre côté, courant nord. Là-bas, continuons à planter des arbres. Nous avons des arbres, surtout le bosquet des Nations Unies. À les entretenir aussi. Non, oui il y a des. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe. Le 3 août passé, il y a une organisation qui fait des plantations d'arbres là-bas, au niveau des bosquets des Nations Unies. Quelque temps après, on vient, il y a quelqu'un qui veut déterrer tous, tous les arbres qui ont été plantés. Non, franchement, on ne sait pas ce qui se passe dans ce pays. C'est comme si les gens sont dans une dynamique où ils voulaient vraiment s'accaparer de l'espace. deux semaines déjà que les enseignants des universités publiques du Niger sont en grève. Et cette semaine, le ministre de tutelle a trouvé injustifié cette grève partie pour un mois. Selon le ministre, les derniers arriérés dus aux enseignants de ces universités seront soldés entre février et mars. S'agissant de la nomination des recteurs et vice-recteurs, c'est le gouvernement qui a ce pouvoir de par la loi adoptée et promulguée. Et Samadougou. Après ces arguments donnés par le ministre, peut-on croire que l'essentiel est dit pour que le SINEX suspend euh, sa grève C'est comme euh, l'année passée, quand ils ont, on a eu à le dire dans le studio que parfois, et le plus souvent même, ces enseignants-chercheurs exagèrent. Parce que la première question qu'on se pose quand on dit enseignants-chercheurs, on va se dire mais quelle est leur contribution de l'édification d'une nation forte En quoi ils contribuent aujourd'hui dans le processus de développement quand on connaît aussi les réalités au niveau des universités particulièrement l'université de Niamey. Ils, font, font, des recherches, des travaux de recherche. <laughs> Mokhtar, laisse-moi rire. font des publications. <laughs> laisse-moi Moi, quand ils je, Quand je passe à l'université devant le bâtiment où c'est écrit presse universitaire, je m'arrête, je regarde le bâtiment et je me dis, mais attendez, où sont ces publications même qui sortent d'ici Regardons la réalité de l'université. Pour une licence, trois ans. Les étudiants passent combien Six ans. Pendant que moi, je connais un. J'ai fait une comparaison avec deux étudiants dans mon, deux petits dans mon quartier. L'un a fait l'université de Niamey et l'autre, ils ont commencé ensemble, mais l'autre a quitté pour aller à Ouaga. Il est revenu avec son Masters 2. L'autre, il est en troisième année actuellement. Voyez-vous Voilà, il y a une situation qu'on se demande, mais alors, quel, ils jouent quoi Concrètement, qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir dire des choses comme ça pour dire non, voilà. Et par rapport à leur point de revendication, moi, chaque fois, je cherche à comprendre. Quand ils disent qu'il faut, il faut, ils sont contre la nomination des, des, recteurs. moi, je, moi, je me pose la question. Aujourd'hui, le fait que le gouvernement ait adopté cette loi, en quoi ça va nuire au bon fonctionnement de l'université Si du moment où les chefs de département les doyens continuent à être élus, en quoi ça va nuire Ils n'ont qu'à nous expliquer clairement mais hier, le ministre est venu nous parce que moi, franchement, dans mon entendement, quand j'entendais le plus souvent quand ils sortent pour dire qu'on a des aérés, je pensais qu'ils n'ont pas de salaire. Mais j'ai finalement compris qu'il s'agit des primes des primes de recherche, de recherche de quoi dont on n'a pas le fruit de ces recherches. Aujourd'hui, on a, si nous voulons, par exemple, pour des statistiques du Niger, pour une situation bien donnée, on a parlé tout à l'heure de l'insécurité de l'humanitaire. Vous allez voir cette situation. Dès la semaine prochaine, il y aura un chercheur peut-être de l'université de Ouaga ou bien de l'université kata Diop qui a fait une étude sur des analyses, pendant que ceux-là qui ont, parce que le ministre a dit que soit ils font ou ils ne font pas, de toutes les façons, ils ont ces primes de recherche. Ça, c'est du trop perçu. C'est ce que les gens dénonçaient. Donc, ce n'est pas seulement les députés nationaux qui ont des trop perçus ou bien les membres du gouvernement. Ils sont nombreux dans ce pays. Non, soyons hein. durs avec nous-mêmes. Quand on, veut, on, veut, insulter quelqu'un, sois sûr que toi-même, ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est une question de morale C'est une question aujourd'hui qui doit interpeller tout le monde. Et j'accuse aussi, pour finir, dans cette affaire, la complicité, peut-être, parce que c'est une complicité coupable de l'association des parents d'élèves. C'est vos enfants aujourd'hui qui sont en train de, ressentir ce coup dur de ce bras de fer inutile. Mais les parents d'élèves, l'association de parents d'élèves ne sort pas pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut qu'ils donnent leur avis. Gary Amadou, à quoi s'attendre maintenant que l'opinion nationale a entendu les deux camps, surtout que pour les nominations des recteurs, c'est un texte de loi que tout citoyen est invité à respecter. Non mais attendez, les enseignants sociaux ne sont pas au-dessus de la loi. Mais écoutez, c'est une loi qui a été votée par le Parlement, n'est-ce pas Et d'ailleurs, le ministre l'a rappelé, il n'y avait que le Bénin et le Niger où on ne nommait pas les recteurs. Dans tous les pays du monde, on nomme les recteurs. Il a dit, et les douanes de faculté sont élus, il n'y a pas de problème. Mais la question qu'on doit se poser, mais pourquoi, bon sang, les enseignants tiennent à ce que le recteur soit élu En réalité, c'est ça le nœud du problème. Parce qu'il y a elle, quand c'est eux qui élisent. Non, ce ne sont plus les, les arriérés. Non, ce c'est pas, pas. Quand, c'est eux qui élisent. Les primes de recherche. Non, ça, oh, je vais en arriver. Concernant même la nomination du directeur, pourquoi ils veulent que eux, ils choisissent entre eux celui qui va Parce que ça devient une sorte de, de famille où on peut tolérer les écarts des autres. Parce que qu'est-ce que les enseignants font Mais ils, ils, la plupart du temps. Et ils font faire des polycopes. on a, on, a, on a, subi cela. Ils font faire des polycopes aux étudiants. Ils ne sont même pas là. Concernant les recherches, on était, tout à l'heure, on a parlé de l'environnement, non mais je vous assure qu'il y avait une étude sur la protection, sur la, protection du fleuve Niger. Vous savez où est-ce que j'ai eu le document Université de Ouaga. C'est un enseignant de l'université de Ouaga qui a fait un document, qui a fait un truc sur la sauvegarde du fleuve Niger. Mais c'est pas une honte ça Ils passent tout leur temps en train de demander à ceux qui ont des primes de recherche, ils ne foutent rien du tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça Mais ça c'est du haram que les gens sont en train de bouffer. Et ils sont en train de revendiquer. C'est vrai ce qu'il s'est dit. Quand on les entend, on pense que non, non, ils ont des arrêts de salaire. Non, non, ils n'ont pas des arrêts de salaire. Ils ont, ils disent les droits, les, primes et les droits statutaires. Oui, d'accord, les primes et les droits statutaires, mais qu'est-ce que vous foutez, vous Qu'est-ce que vous êtes là, vous ne foutez rien du tout, il n'y a aucune recherche. Si on veut le document, il faut qu'on parte l'université université Cheikh Diop, l'université de Ouaga, l'université de Bamako. Mais si au Niger, on n'a pas quelqu'un qui a fait une étude sur la chose, qui nous concerne nous-mêmes, c'est un, enseignant du Burkina qui va faire une étude. C'est ça, c'est de ça qu'on s'inspire pour faire nos articles de presse. Nos enseignants sont là, en train de se prélasser. Il ne rien du tout, il n'enseigne personne. Mais quand même, est-ce que ça, ça peut, continuer Mais il faut que ça s'arrête. On leur donne de l'argent pour rien. Et même ça, le gouvernement dit, il n'y a pas de problème, on va vous donner ça. Et même ça, ils sont en train de... Un mois de grève pour des gens qui n'ont aucun arrêt de salaire. Un mois juste pour des primes. Est-ce que ça, c'est sérieux C'est irresponsable de la part de ces syndicats. De, tout juste après le point de presse, parce que moi j'étais à, ce, point de presse, je suis sorti, j'ai rencontré un étudiant. Il dit, oui, oh oui, je viens de, le point de près du ministre. Il dit, il mais monsieur Garé, vous savez, nous enseignants, là, ce ne sont pas des enseignants-chercheurs. Hein. Nous, nous subissons. Nous subissons les effets du mauvais comportement de ces gens-là qui se disent enseignants-chercheurs, qui ne font aucune recherche, qui ne font aucune recherche, qui sont là et qui se remplissent les poches et qui vont tout le temps en grève. Mais il faut que ça s'arrête, s'il vous plaît. Issa Jibo, l'ultimatum de sept jours donné au gouvernement par la Fédération unitaire du syndicat d'enseignants du Niger, la FUSEN, est pratiquement à terme. La FUSEN reproche au gouvernement de plomber la carrière des enseignants au nom de la maîtrise de la masse salariale. La FUSEN voudrait rapidement une réponse, voire une reprise du dialogue avec les représentants de l'État. Comment voyez-vous l'avenir dans le secteur éducatif avec euh, toutes ces grèves qui n'en finissent pas. mais je ne vais pas tellement m'étaler sur euh, <laughs> la, grève situation. <laughs> de la euh, fusée. Non, pas ah, du, Sinex gouvernement. gouvernement. Mais moi, je vais dire une chose, c'est que à partir du moment où c'est des droits qui ont été consacrés par des textes, il n'y a pas de débat là-dessus. Il faut leur payer leurs droits. Il y a eu des négociations, je crois, où un protocole d'accord a été signé en main mais malheureusement, les délais n'ont pas été respectés. Et c'est ça qui a conduit à, comme avait dit, à cette situation, parce que ce n'est pas la première grève, il faut le dire aussi. Et il y a eu une série de grèves. Non, non, non, même au cours de cette année, il y a eu une série de grèves de 72 heures, 48 heures, qui, a été observée par les enseignants-chercheurs. Maintenant, concernant euh, la, fédération unitaire, moi, je dis quelque part, bon, ça dénote du malaise il faut le reconnaître, ça dénote du malaise. Quiconque dit qu'il n'y a pas de malaise dans le système éducatif nigérien aujourd'hui, c'est que la personne est de mauvaise foi. Ça à dire que au niveau eh, étatique, au niveau gouvernemental, on ne prend pas la question éducative au sérieux, alors que c'est quand même ça, d'abord, le socle du développement de tout pays. On a comme l'impression que l'essentiel, c'est que, bon, on va colmater chaque année, on colmate, on arrive à sauver l'année. Et puis en fin de compte, les enfants avancent, mais ils avancent pour devenir quoi C'est qu'il faut prendre l'éducation au sérieux. De la même manière, moi personnellement, je peux me targuer d'avoir bénéficié d'une éducation de qualité, ou à l'époque, ce n'était pas des grèves, il n'y avait pas de grève. Quand on dit 1er octobre, c'est 1er octobre, et chaque parti jouait sa partition. Les enseignants jouaient leur partition, les étudiants jouaient leur partition et tout et tout. Mais aujourd'hui, on est dans un système où on a créé une situation où on a politisé l'école. Malheureusement, c'est ça qui a amené tout ça. On a tellement politisé l'école, on a politisé les étudiants, on a politisé les enseignants-chercheurs, on a politisé, comme avait dit, alors qu'on doit, l'école là, c'est une question de mérite. Tout est selon Tout est politisé, malheureusement, et c'est ça qui a foutu l'école en l'air. Il faut se le dire. Ou on s'assoit, on fait, comment veut dire, un diagnostic sérieux de la situation de l'école nigérienne. Et ou bien, bon, ben, on va continuer à, à faire des bricolages par-ci, par-là, pour pouvoir penser qu'on va faire une éducation de qualité. Les pays dont vous citez la guerre, c'est des pays où, quand l'école commence, c'est que les gens, voilà le contrat. L'enseignant, il va, il enseigne, à la fin du mois, on le paye. S'il a des avantages, en dehors de son salaire, on lui verse ses avantages. Il n'a pas besoin d'aller en grève pour pouvoir revendiquer. Mais quand on se met dans une procédure, on se dit, c'est comme un peu, on l'étale à la politique. Il y a des gens à qui on donne de l'argent, par exemple, les fonds politiques et tout et tout. Ça sert à quoi En dehors du salaire. Parce que le gars, il prend, mais il, en fait quoi il, ne pas, il ne rend même pas des comptes. Parce que tout simplement, c'est des fonds politiques qui sont là, qui ont été votés. Et puis bon, on donne à des individus, des gens, parce que tout simplement, ils sont politiciens. Alors que ça pouvait servir, ça pouvait contribuer à alimenter certaines structures, certaines, les services sociaux de base notamment. Moi, j'ai dit, il faut revoir tout ça. C'est un, machin d'ensemble, c'est une révision d'ensemble qu'il faut faire. C'est pas une révision tel secteur, il faut revoir qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui ne l'est pas et puis revoir un peu la copie. Moi, je pense que c'est la seule formule qu'on peut adopter pour sortir de l'ornière. Aujourd'hui, tout le monde se plaint de l'insécurité et tout et tout. Mais c'est parce que tout simplement, on ne veut pas voir les choses en face, voir quels sont les mots réels qui minent, qui font que ça ne marche pas. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités. Gary Amadou du quotidien La Nation, Hussein Issa Jibo, journaliste freelance et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Merci aussi à tous les auditeurs pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h pour suivre le programme Jeune du studio Kalangou sur les ondes des radios partenaires. Il sera suivi du forum en Hausa et en sur l'esclavage moderne. Merci, au revoir.